fidèles auditeurs et téléspectateurs euh, des 52 radios et des 7 euh, télévisions partenaires euh, du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans le forum de ce soir. Jeunesse et littérature francophone est le thème de ce forum. 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels est le thème retenu pour la célébration ce lundi 20 mars de l'édition 2023 de la Journée internationale de la francophonie. Vous le savez, la Journée de la francophonie commémore la naissance à Niamey, c'était le 20 mars 1970 de l'agence de coopération culturelle et technique ACCT, devenue en 2005 organisation internationale de la francophonie. Cette euh, journée qui est célébrée dans tous les pays francophones à travers euh, le monde commémore donc euh, un événement qui a vu le jour à Niamey il y a exactement 53 ans. Au Niger, L'article 5 de la Constitution du 25 euh, novembre 2010 fait de la langue française la langue officielle en République du Niger. Comment la jeunesse nigérienne appréhende la littérature francophone quelle place occupe la lecture dans la promotion de cette littérature Quelles sont les attentes des jeunes dans le cadre d'une meilleure promotion de la littérature francophone au Niger. Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir M. Soumane Chamsou. Il est enseignant de français et de lettres au lycée Manousekou Abdul Nasser, écrivain et président de l'association littéraire La Plume au service de la société Aïchatou Adamou. Elle est jeune auteur du roman L'ineffable et en ligne au téléphone Monsieur Abrahams Idi Aboubouka. Il est écrivain également. À la modération de ce forum, je suis Michel Vich. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour ce forum du studio Kalangou ayant pour thème jeunesse euh, et littérature euh, francophone. Je vous le disais en introduction, vous le savez, la langue française est la langue officielle en République du Niger de par l'article 5 de la Constitution du 25 novembre 2010. Il faut dire que depuis l'indépendance d'ailleurs, la langue française a toujours été la langue officielle en République du Niger dans toutes les autres constitutions qui ont précédé celle du 25 novembre 2010. De ce fait, beaucoup de livres sont écrits en français. D'abord, que représente la langue française pour nous aujourd'hui, Monsieur Soumane Chamsou, enseignant de cette langue française justement La langue française représente, comme vous l'avez annoncé, la langue officielle. Mhm. Mais plus au-delà de cela, la langue française est une euh, seconde langue pour le peuple nigérien. Mhm. Parce qu'il y a des langues nationales, naturellement. donc, euh, mhm. pour dire que le français est la langue du savoir, ce n'est pas que les autres langues ne véhiculent pas du savoir, Bien sûr. mais le français représente ce que j'ai l'habitude d'appeler le latin mhm. pour les Français, pour les mhm. Occidentaux, mhm. puisqu'ils avaient leur langue locale, mais il y avait le latin, euh, langue par euh, laquelle il faut passer pour apprendre. Parce que les livres étaient écrits en latin. En latin, donc, euh, quand on veut étudier la, la philosophie, par exemple, c'est la même chose aujourd'hui pour les pays francophones. les livres sont euh, majoritairement écrit en français. Et pour mhm. accéder à ce savoir, il mhm. faut passer par cette langue. Donc la maîtrise de la langue française euh, demeure indispensable. Mhm. Euh, si vous voyez... Si on veut accéder au savoir. Très bien. Si, tout en sachant que le savoir n'est pas en français forcément. Pas en français, on mais... On peut l'acquérir également dans toutes les langues. Dans toutes les langues nationales. le français de, devient de, le spectacle ou bien le dépositoire même mhm. du savoir pour, mhm. nos, pour nos pays francophones. Mhm. Pour les pays anglophones, c'était l'anglais. Euh, je disais, pour que nous puissions accéder au savoir, il faut le français. C'est tout simplement parce que c'est cette langue qui fait que aujourd'hui nos peuples n'avancent pas. Euh, si l'enseignement était fait dans nos langues, les, le peuple allait être, plus lettré, mhm. mais on a fait en sorte que cette langue demeure la seule clé de la mhm. réussite. Ce qui Il faut souligner qu'il y a une euh, expérimentation de euh, l'éducation à travers euh, les langues nationales mais qui, en cours. qui ne pouvait pas marcher parce qu'il n'y a mhm. pas de livres. C'est on, on, en a une fois parlé, je disais, ce n'est pas le fait de, d'instituer nos langues hmm. euh, locales, nos langues maternelles comme langue officielle qui cause problème, c'est parce qu'il n'y a pas eu un travail en amont. Monsieur Souman Chamsou, à vous entendre parler, on a l'impression que vous pensez donc que le français peut être euh, un blocage à un enfant qui vient à l'école. Le français demeure l'obstacle à l'apprentissage hmm. parce que nos langues véhiculées, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, nous qui sommes euh, germains, Mhm. On ne pouvait pas, on peut pas les comprendre en, français. Mhm. Souvent, euh, je viens, mon enfant qui fait 4 ans me demande, papa, c'est quoi Fifridi mhm. eh ben, j'ai dit, bon, voilà un problème pour moi. j'ai dit, vous expliquer ça en français, est comment ce que ça existe en, en français Je lui dis, c'est un mixeur en bois. dit, mixeur. Parce que les Français, je ne sais pas s'ils utilisent ça. Bon, voilà, vous avez, nous avons ce, ce problème-là. C'est comme il semble hein? le lavabo qu'on a dans la famille Baudin, mais beaucoup d'enfants à la maison. Voilà. donc c'est pour, mm-hmm. dire, que beaucoup, le français demeure un handicap mm-hmm. à l'apprentissage. On, on, excluait les élèves pour dire qu'ils ne connaissaient rien. C'est pas mm-hmm. vrai. Il n'y a pas de cancre. C'est qu'ils ont un problème à assimiler une langue. Et cette langue est devenue comme l'oxygène du savoir. Mais si on vous a bien compris, ça m'a fait penser à une enseignante qui m'a dit à l'école, quand tu dis par exemple dessiner un canari, oui elle est obligée de dire aux élèves c'est quoi un, canari. Parce que les élèves en si classe de CP, c'est un... En germain, on dit à un enfant dessine un canari, tu n'as pas besoin de l'expliquer. Bien sûr, <laughs> bien sûr. Merci. Nous avons au téléphone euh, un jeune écrivain qui a d'ailleurs euh, procédé récemment au vernissage de trois ouvrages euh, en même temps. C'est quatre, hein bon, mais si on ne va pas revenir <laughs> sur ces ouvrages, puisque le temps ne nous le permet pas, il s'agit de Abrahams euh, Idi Aboubakar. Monsieur Abrams euh, Idi Aboubakar, en tant qu'écrivain, selon vous, pourquoi est-il important de parler aujourd'hui la langue française Merci. Moi, c'est Abrams Idi Aboubakar, écrivain, poète, noveliste et romancier. La langue française, il faut d'abord comprendre que c'est une langue qui se veut universelle, une langue qui n'appartient pas qu'aux Français, une langue pleine de subtilités à travers laquelle on arrive à extérioriser la profondeur de son être. C'est une langue aujourd'hui qui nous est obligatoire, en ce sens que vous l'avez retracé, qu'elle est inscrite hmm. dans la Constitution. Elle est langue euh, officielle. Ça veut dire qu'on a peut-être un peu intérêt à parler, mais on peut être citoyen sans parler cette langue française. Oui, mais, mais, dès lors que cette langue est inscrite dans la Constitution comme langue officielle, je me dis que tout citoyen nigérien se doit de la parler. Et j'ai coutume de le dire, le Hausa, le Zarma et les autres langues du Niger, une ce sont des langues maternelles. C'est des, mmh. langues que nous maîtrisons très bien. Mmh. Mais cette langue, elle, nous est imposée et c'est une langue avec laquelle nous sommes appelés à, travailler. est que vous voyez L'Afrique n'est pas encore prête à se départir de ces langues coloniales. Mmh peut-être le jour où l'Afrique dans son ensemble va décider de se retirer de Nous avons perdu Abraham Sidi Aboubakar. Euh, nous allons donc euh, le rappeler le temps de prendre euh, Manu Abdel Nasser, qui est également écrivain, président de l'association littéraire La Plume au service de la société. Alors, moi, Alors quoi Abdul Nasser, euh, vous êtes euh, également écrivain, président de l'association littéraire La Plume euh, au service de la société. Pensez-vous que la langue française est aujourd'hui un outil important Assurément, je pense bien d'entrée de jeu. À un certain moment, il faut être dans un positionnement progressiste. Mhm. Moi, je raisonne sous forme de bateau de Nera. Ça veut dire quoi Lorsqu'à un moment, on pourrait si vous voulez, changer les choses qui sont déjà passées hmm. et qu'au sortir de ces choses, il y a quand même un petit avantage qui est là. Je reviendrai sur ce que j'appelle un petit avantage. Il faut, si l'on veut, faire, euh, si vous voulez, des sutures ça et là ou hmm. encore trouver des radicelles qui puissent nous convenir. C'est comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous avez une sorte d'injonction de la langue française, mhm. d'une autre façon de parler à l'ivarien. Mhm. C'est comme quand on prend le mot. On parle le français comme on veut. Bien entendu, mhm. dans le dictionnaire. Parce que le dictionnaire français, il est assez large, il y a des anglicismes, il y a des emprunts. Un ivoirien peut dire par exemple il y a drap. Oui, euh, c'est comme le mot enjaillé, ça existe dans le dictionnaire. Oui, enjaillé, ça, existe, bien sûr. Mais c'est progressivement, parfois on n'a pas ces mots dans le dictionnaire. Au Niger, par exemple, on se rappelle du mot tazarké oui, qui était utilisé, mais c'est pas dans le, dictionnaire. Il mhm. faudrait qu'il soit connu en moyenne par, euh, il disait certain 25 millions de personnes. Mhm. pour qu'il soit enfin qu'il soit populaire qu'il soit assez ébruité mhm. donc euh, je pense déjà qu'il faut nuancer l'éducation et l'instruction le français euh, hélas c'est la langue de l'instruction je ne sais pas si vous avez connaissance en 1887 euh, lorsque Zamenhof a voulu créer une langue qui pourrait permettre à tous les peuples le communiqué qui s'apprenait en 23 jours, maximum en un mois. C'est ce qu'on appelle l'espéranto. Et même là, aujourd'hui, vous pourriez l'apprendre. Question de souveraineté, bien entendu, toutes les nations, certaines, en tout cas la plupart, ont recusé. Parce que au-delà de la langue, il y a l'affirmation de soi, il y a la question identitaire. Mm. Et c'est ce que mes prédécesseurs essayaient de souligner, non pas qu'on recuse le français d'emblée, mais si c'était peut-être un peu plus intéressant, et c'est ça, c'est, on le dit avec des réserves, peut-être d'apprendre dans nos langues. Sauf que moi, je pense à un certain moment, si euh, ce pilier qui est là, qui est le français, qui, hélas, aujourd'hui, euh, vous avez plus de, de, de personnes, d'auditeurs français dans le monde qu'en France même. Donc, mhm, le français, c'est hélas mhm. une langue du Niger aussi donc, euh, de la même façon qu'on a nos ethnies qui sont là, c'est aussi une langue ethnique, j'ose le dire. Vous savez, lorsqu'en ce moment, on se dit qu'il faille résoudre les problèmes, ça et là, euh, d'hégémonie entre ethnies, euh, parce que là, le Hausa, c'est la langue majoritairement la plus parlée au Niger, ensuite hein, vous mm-hmm. avez le Zarma. Mm-hmm. Donc, pour créer une sorte de pont de ralliement entre toutes ces ethnies sans qu'il y ait euh, des dissensions ou encore des disputes, ça et là, mm-hmm. il faut qu'il y ait une langue lanière qui permet à ce que chacun puisse s'exprimer dans une sorte d'alphabet euh, mhm. pour lequel sans pour autant avoir l'adhésion, on pourrait se, comprendre. Je pense que pour un souci de communication, le français a son importance. Moi qui suis mhm. littérateur, d'entrée de jeu, certes, je n'avais jamais voulu écrire en français. J'écrivais en anglais que je trouvais un peu plus facile. C'est vrai, vous êtes bilingue. oui, c'est parce que mhm. peut-être la langue française, elle a beaucoup de subtilité, le disait tantôt M. Abrahams. Mais je pense qu'elle a toujours son importance. Alors, par la suite, s'il faudrait peut-être adopter ou encore améliorer cette fois-ci, pas l'instruction, mais l'éducation dans sa globalité et mm. qu'il y ait, comme il le disait tantôt monsieur l'aîné, monsieur Chamsou, mm. qu'il y ait un euh, répertoire ou encore des, euh, disons, des, des soubassements de, de, de langues, comme mm. par exemple, vous avez euh, chez, les, chez, chez les Touaregs, il y a quand même un, un alphabet qui est là. Chez les Arabes de chez il y en a. Qui permet de faire la transcription. Qui, permettrait de, de, traduire, en fait, mm-hmm. ces différents enseignements. Là, ce serait Mais là, mm-hmm ça devient encore compliqué parce que nous n'avons même pas encore franchi le palier de comprendre nos propres langues. Mhm. Moi, comme ça, je suis mulâtre euh, de Zarma et de Hausa, mais je parle très mal de Hausa et le Zarma mhm. et j'ai honte, honnêtement, souvent quand je fais des interviews. Mhm. Mais là, si vous voulez, c'est dû aussi euh, à l'environnement, comme on est en train d'évoluer dans une langue qui est carrément euh, officielle. Et moi, je ne pense pas que la langue soit euh, en soi, dans sa globalité, en frein, parce que là, on a le Nigeria, quand même, la première puissance euh, mm. euh, en Afrique. Mais c'est l'anglais, c'est pas leur langue. Donc à un certain moment, il faudrait qu'on se remette au travail, qu'on laisse de côté ces questions de langue, parce que la langue a son importance. Moi, j'aime bien comment M. Chamsou parle. Il mhm. n'essaie pas d'être dans, le français qu'on appelle puriste. Mhm. Non, on essaie de l'améliorer. Il est bien à l'aise, il, parle voilà. la comme langue il comme il veut. Oui, comme mhm. il veut, parce que aussi c'est notre langue. Donc là, par la suite, si euh, ce, ce, trimar d'instruction ne permettrait pas d'atteindre nos objectifs, là, au plus haut niveau, ils sont là, nos, nos aînés, ils peuvent voir qu'est-ce qui pourrait marcher, on pourrait l'expérimenter pour euh, pour conclure, en fait, par rapport à cet aspect, est-ce que vous convenez que. Le euh, point Senghor avait raison quand il disait que, euh, par exemple, dans les décombres de la colonisation, j'ai trouvé un outil merveilleux c'est la langue française. Alors, vous savez, je suis Parce qu'ici que ici, comme vous dites, il y a un pays, par exemple, où on a une dizaine d'ethnies. Le président de la République, par exemple, il peut être un arabe, il peut être un gourmandier, il peut être un zarma, un Et il est appelé à s'exprimer et à s'adresser à l'ensemble de la nation. Euh, à ce niveau, le français permet d'unir. Bien euh, entendu, comme une sorte de point de ralliement. sans pour recuser son identité. Moi, mm. je suis pour euh, l'emprunt dans quelque chose étranger, quelque chose peut-être qui est peut-être gothique complètement. Mhm, mhm, mhm. Par contre, je ne suis pas pour le reniement. On ne doit pas oublier son identité. Mais là, euh, je n'irai pas comme Senghor, euh, parce que Senghor, c'est pas un personnage que j'admire bien, honnêtement. Donc, euh, je pense bien que. pas Oui, justement, justement. Hein. Mais ça, c'est son point de vue. Euh, on le respecte tous, il est vénéré. Par mhm. contre, je pense qu'à un autre niveau, au Niger encore, on a mhm. des problèmes un peu plus graves que la langue pour lesquels il faut se concentrer et trouver des solutions. Mhm. Merci beaucoup. Nous avions perdu à l'instant M. Abrams euh, Idi à Boubacar. Euh, M. Abrams Idi à Boubacar, qu'avez-vous à rajouter justement par rapport à ce statut de la langue française au Niger, mais également dans euh, les autres pays où le français est parlé comme langue officielle Moi, je pense que le français, c'est une belle langue. Imaginez un peu. Alors, quelle est la langue nationale qu'on va choisir pour en faire langue officielle Aussitôt qu'on va décider, par exemple, de choisir le Hausa comme langue officielle, euh, je suis sûr que les autres ethnies ne vont pas l'accepter. Ils ne seront pas contents. Si on va prendre le Zarma, par exemple, comme langue officielle, ça sera le même problème. Alors, je pense bien qu'il serait préférable de trouver une langue qui n'appartient à personne. Et on a bien fait de porter l'effort sur le français. Hmm. Et on a tout intérêt à parler cette langue. Euh, vous l'avez dit en, intro, c'est une langue qui est parlée par plus de 321 millions de personnes. Hmm. Ça fait partie des, langues les plus, parlées au monde. Hmm. Donc ça veut dire beaucoup. Hein ça veut dire beaucoup, elle n'est pas à, mesurer à nos langues nationales. Ce n'est pas une manière de dénigrer nos langues, mais je pense bien que si il, hiérarchie il y a, la langue française se place nettement au-dessus des nôtres. Nous avons tout intérêt à parler cette langue parce que c'est notre langue officielle, comme je le disais tout à l'heure, et l'Africain est celui-là qui a compris qu'en s'ouvrant euh, à, une autre langue. Loin de se réduire, il s'enrichit. Mmh. La langue française, c'est une langue pleine de subtilité. C'est une langue qui, nous permet beaucoup de choses. Et comme l'a dit M. Monsieur, tout à l'heure, c'est la langue du savoir. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre au savoir, en tout cas pour les Nigériens que nous sommes, en, désirant tourner le dos à cette langue. Elle nous est obligatoire. je le disais tantôt tout à l'heure, le Haoussa, le Zarma, le Kanouri et toutes les autres langues, ce sont nos langues maternelles et c'est la langue que nous maîtrisons très bien. Le Niger fait partie des rares pays ou en classe de terminale, Monsieur Michel, vous avez difficilement euh, euh, des élèves qui peuvent vous aligner cinq phrases par Hmm. On a l'impression que c'est une nouvelle situation qu'on est justement en train de constater, puisque les aînés, on a l'impression qu'ils parlaient mieux français que nous. Et, ceux qui sont en train de venir maintenant, leur situation, on a l'impression que c'est vraiment pire, hein, comme on dit. un exemple. nous Avons, nous avons de très grands orateurs, nous avions des, des très grands littérateurs. Mais aujourd'hui, regardez un peu le constat, comment il est, il est, est très amer. Et c'est bien triste. C'est dû à quoi, selon vous, M. Abraham Sidi D'abord, euh, euh, euh, la disparition des bibliothèques. L'État a démissionné, effectivement. Les, bibliothèques ne sont plus, comment est-ce qu'on appelle cela, outillées. Elles sont abandonnées à elles-mêmes. Il faut faire un tour, vous allez les voir. Elles sont toutes poussiéreuses. Les quelques livres qu'elles comportent, ce sont des vieux livres il n'y a pas de réactualisation. Il y a aussi la démission des enseignants eux-mêmes. Euh, voilà, ils, il se limitent tout simplement en début d'année, les enseignants de, français, je parle sous le contrôle de M. Champs qui est là avec nous, mhm. on se limite tout simplement à donner une, bibliographie en début d'année, mais on ne fait rien pour imposer aux élèves la lecture de ces ouvrages. Mhm. Et, je me dis bien qu'il serait préférable peut-être de multiplier les séances d'exposés euh, euh, tant euh, collectifs qu'individuels, d'initier les élèves peut-être à des concours d'art oratoire. voilà, de l'autre côté, nous avons aussi la faute de nous autres, les littérateurs. Je, vais épingler mon, frère Manousekou Abnasser les littérateurs nigériens ne font pas assez d'activités. Et je pense bien que s'il y avait assez d'activités, des ateliers d'écriture, de, des ateliers de lecture, ça pourrait bien permettre aux gens de s'intéresser à ce domaine. Et c'est ce qui explique toute cette chute, c'est ce qui explique cette médiocrité. Nous avons tourné le dos au livre et effectivement, c'est bien normal que nous vivons ce cauchemar, que nous vivons cette situation. Et pourtant, et pourtant, comme j'ai coutume de le dire, l'Afrique doit énormément à la littérature. Mhm. L'Afrique doit beaucoup à la littérature. On se rappelle du combat de la négritude. <laughs> Merci Abraham. voilà. effectivement. Parce que c'est des courants littéraires qui ont conduit à la reconnaissance euh, des valeurs euh, telles que celles euh, de la personnalité des nègres à l'époque avec Aimé Césaire. Voilà. Mais également le Damas et, et, Diop, Léopold Sédar Senghor. Merci beaucoup, on vous a bien compris. Il y a plus d'efforts mhm. à fournir. à fournir. Adamou, à ce niveau, on a l'impression que la jeunesse ne fait pas beaucoup d'efforts. Euh, Quelle est, vous, à votre niveau, euh, votre euh, analyse à ce sujet nous n'aimons pas la lecture, nous sommes plus focalisés vers nos téléphones, vers la technologie, vers les ordinateurs. Nous n'aimons pas vraiment les livres, quoi. Déjà, Monsieur Abrams dit qu'il n'y a pas de bibliothèque. Moi, je pense qu'il y a des bibliothèques, il y a, il y a CCFN. Mhm. Même au tané, j'ai fait le tané. Au tané, on nous forçait à lire. Mhm. Mais on n'aimait pas vraiment. C'est pas, pas qu'on n'aimait pas, mais il n'y avait plus d'enthousiasme. Il n'y avait pas ce qu'on recherchait dans les livres. Mhm. Ce qu'on recherchait, c'était surtout la technologie, les téléphones, du nouveau, quoi. Mais pourquoi il n'y a pas cet engouement, justement C'est vrai, vous, vous avez fait le Britannique militaire euh, après les réformes qui ont permis d'avoir des jeunes filles admise euh, aux Britanniques militaires. C'est vrai, l'engouement est un peu différent, mais en général, quand on prend la jeunesse nigérienne dans son ensemble, selon vous, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'engouement C'est pas qu'on n'a plus le temps, mais on cherche plus le temps pour la lecture, pour, pour apprendre quelque chose de nouveau. On cherche plus le temps pour ça. Pour nous, c'est juste euh, la, on veut juste s'amuser on pense qu'on est jeune, on n'a pas le temps pour penser à plus euh, s'instruire, quoi. Mhm on pense juste à s'amuser. On se dit que ça va venir plus tard. Or, c'est pas ça. Ça va pas venir plus tard. Il faut apprendre dès maintenant. Il faut savoir lire dès maintenant. Il faut savoir s'instruire dès maintenant et puis laisser les téléphones un peu quoi. Vous vous êtes beaucoup intéressé à la littérature et vous êtes allé jusqu'à écrire un ouvrage, euh, L'ineffable. Qu'est-ce qui vous a poussé à cet engagement en tant que jeune fille Moi, je pense surtout que c'est ma vie au Britannique. Au Britannique, on n'avait pas droit aux technologies, aux téléphones, aux ordinateurs et puis tout ça. Mhm. Donc, on était obligé à aller vers la lecture. On était obligé à s'intéresser à la lecture pour se divertir quoi. Mhm. Je m'intéressais vraiment à la bibliothèque, je partais lire et puis tout ça. J'ai pensé, j'ai pensé, c'était juste de savoir ce que ça fait d'être écrivaine, c'était juste dans le but là, j'ai pensé à écrire sinon je mhm. voulais juste savoir ce que ça fait de partager ses pensées et mhm. puis tout ça. Et vous avez partagé vos pensées dans votre roman L'ineffable. De quoi vous parlez dans cet ouvrage L'ineffable, ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas exprimer avec les mots. Mhm. Et c'est quoi ici C'est l'amour, l'amour, l'amour. C'est l'histoire d'une petite fille. Mhm. C'est l'histoire d'une petite fille, l'amour qu'elle partageait autour d'elle, l'amour qu'elle avait pour euh, ses parents, l'amour qu'elle avait pour les études, l'amour qu'elle avait pour les autres, c'est ça qu'elle ne pouvait pas exprimer avec les mots, quoi. Et puis, c'est ça j'ai décidé d'écrire pour, pour un peu transmettre aux gens ce qu'elle pense de la, de la lecture, des études et puis tout ça. Mhm. Et Surtout les études pour une jeune fille. Quel était le fait souhaité du côté de vos lecteurs en écrivant cet ouvrage Qu'ils puissent aimer le travail d'une jeune fille comme moi. Genre, je voulais pas être dans l'ombre à chaque fois, dans l'ombre je voulais pas ça, quoi. Je voulais aussi sortir du commun des filles, du mhm. commun des mortels, quoi. Ce que je voulais surtout transmettre à travers mon livre, c'est que les jeunes puissent aimer les études, quoi. De ne mhm. pas penser que les études sont, un, sont des freins à notre développement ou bien de ne pas penser que c'est pour nous obliger, un truc comme ça, on étudie pour notre bien, pour un avenir meilleur, quoi. Donc c'est une incitation, une invite euh, à la jeunesse afin qu'elle puisse euh, se mettre sérieusement au travail. Surtout aux jeunes filles surtout les jeunes filles. Donc, euh, merci beaucoup. Nous entamons la deuxième partie de ce forum du studio Kalangu et c'est justement pour à présent voir quelle est la place qu'occupe la lecture dans la promotion de la littérature au Niger. Monsieur Soumane Chamsou, professeur de français et de lettres. D'abord, quand on parle de la lecture euh, de façon succincte, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, La lecture, c'est une activité intellectuelle mmh. qui consiste à déchiffrer, à décoder un message écrit. Donc, c'est ce qu'on appelle les signes linguistiques. Mmh. L'écriture, c'est un pouvoir il n'est pas donné à n'importe qui d'écrire. De la même façon, il n'est pas donné à n'importe qui de déchiffrer mhm. euh, ce qui écrit ce message. Donc euh, la lecture, c'est une sorte de communication mhm. qui établit un rapport de, dialogue latent entre un lecteur et un écrivain absent. Mhm très facile quand on est initié, quand on s'y habitue. C'est très difficile lorsque on a considéré, on considère la lecture comme une activité obligatoire. Mhm. Aujourd'hui, ça veut dire si on vous comprend bien, il faut aimer la lecture. Elle doit être une passion. Voilà ce que je veux dire. elle est facile quand euh, mhm. elle devient une passion, mhm. mais quand euh, elle est faite dans un but, de, de travail euh, euh, de sorte de punition, mm-hmm. euh, ça devient un fardeau. Mm-hmm. Quand on demande à un élève de lire un livre, même un étudiant, on lui demande de lire un livre pour faire exposer, il n'y trouvera pas ce qu'il cherche dans la lecture. Mm-hmm. Il est à la recherche des connaissances, la recherche de ce que l'auteur veut dire. Mais on ne fait pas la lecture pour euh, comprendre ce que l'auteur dit. Puisque euh, un de nos procès à l'université dit que si on veut comprendre la littérature, il faut comprendre que la littérature, c'est une sorte de révolte contre le, la communication même. L'écrivain ne communique pas. Il n'est pas là pour dire, venez, je vais vous sensibiliser. Et souvent, c'est ça le problème de la francophonie. Si je me permets de revenir sur ce problème, mhm. c'est que euh, la lecture, elle est plurielle. le problème, c'est que l'Afrique a une forme de lecture qui est totalement différente. La lecture euh, que nous faisons en Afrique, elle est une lecture pour comprendre, pour s'instruire, pour s'éduquer. Euh, les premières œuvres, ce sont les contes. Et quand on fait un conte, c'est pour moraliser. Mm. Et là, c'est l'oralité. Voilà. Donc, on, prend, on part dans le livre, non pas pour euh, se divertir, mais pour s'instruire. En Europe, le livre est écrit d'abord dans un but du divertissement. J'ai compris mhm. que nous n'avons pas, parce que j'ai représenté le Niger aux yeux de la francophonie à Beyrouth. Mhm. Le premier qui a remporté le prix, la médaille d'or, c'est un Camerounais qui vit en Suisse. C'est lui qui a remporté. Mhm. Son œuvre parle de persil dans une sauce qui parle. En Afrique, quand tu fais une œuvre, hein, moi, ce qu'on m'a reproché, on m'a dit, j'ai un ton moralisateur. Mmh. Ça veut dire que pour eux, la, la littérature n'a pas pour but de moraliser. Mmh. Une littérature engagée n'est pas possible. Mmh. Vous comprenez ce qu'il veut dire La littérature doit avoir un seul but, le divertissement. Donc c'est cela, j'ai dit, pour revenir, c'est ça, je dis, voilà le véritable problème. Si nous, aujourd'hui, notre littérature, elle, il n'y a pas d'engouement, il y a un problème à aller vers la, vers la lecture, c'est parce que nous mettons l'accent à vouloir instruire, à vouloir éduquer. Alors que le jeune, comme elle l'a dit, elle, elle, a dit que elle, elle ne trouve pas dans les livres ce qu'elle cherche. Monsieur Souman c'est vous qui enseignez la bibliographie. Oui. Non, mais la bibliographie, bibliographie, n'est pas moi est qui Est-ce que vous n'êtes pas en partie responsable C'est le <laughs> ministère qui établit le programme officiel, avec une bibliographie annotée. Ça mhm. veut dire que je ne fais que transmettre ce qu'on m'a dit d'enseigner. Mhm. Et vous pensez que c'est à améliorer Je l'ai toujours dit. Vous savez, aujourd'hui, la littérature évolue. Moi, master de chef, j'ai commencé à faire l'histographie mhm. pour montrer que la littérature est en train de voler. Aujourd'hui, la migritude, c'est que les jeunes aiment c'est ce, une littérature nouvelle qui est axée sur comment on appelle la communication des cultures. Les gens quittent avant toute cette littérature qu'on enseignait, c'est une littérature historique. Le, mouvement de la négritude dont on parlait, mm. la critique de la colonisation, ça c'est historique là. Mm. C'est que, voilà, aujourd'hui c'est que le jeune africain qui n'a pas vécu les affres de cette colonisation, il n'a que faire du vieux nègre et de la médaille. Hmm. Il a besoin de comprendre le monde actuel dans lequel il vit. Il a besoin de se divertir. On ne doit pas lui enseigner une, l'histoire qui ne donne pas de place à son ancêtre. Vous pensez que comme mon, ancêtre est un voleur, on veut, on veut me faire comprendre, voilà l'image de ton ancêtre, est-ce qu'on est en train de me rendre, rendre service pas du tout. C'est vrai, dans Donc, le euh, vieux nègre et la médaille, on voit comment on a montré. Non, c'est pas seulement le vieux nègre et la médaille. C'est une littérature qui. Un vieillard euh, qui, a peur des blancs. Qui fait du noir qui... un dominé, mhm. un sujet, mhm. un maltraité, un humilié, qui ne lui donne pas une place de choix, de bonheur. Le jeune aujourd'hui, du, 20, du 21e siècle, n'est pas ce même noir Hein, qui a subi les affres de la colonisation. Mhm. Il a besoin d'une liberté. Il a besoin de se sentir grand, égal aux blancs. Mhm. Pas quelqu'un qui lui montre que son ancêtre a été toujours un vaurien, mhm. le chien du roi. Hein? Non. Mais la littérature évolue, au moins vous, vous arrivez à écrire des nouveaux ouvrages. Moi, nous secoue, Abdel Nasser, euh, il faut rappeler que dans son manifeste sur la lecture élaboré en 1994, l'UNESCO a investi les bibliothèques de quatre missions clés, à savoir l'alphabétisation, l'information, l'éducation et la culture. Sur la base de ces quatre missions, on comprend que plus un élève lit, plus il est mieux alphabétisé, mieux informé, mieux éduqué et mieux cultivé. Est-ce qu'aujourd'hui, les auteurs africains arrivent à être à la hauteur euh, de ces missions, ainsi que les bibliothèques où on peut euh, aller chercher et lire euh, leurs ouvrages. Alors, vous savez, ça serait la palissade que de dire que la littérature nigérienne n'est pas de qualité, par exemple, ou encore mhm. la littérature africaine n'est pas de qualité. Ce serait une la palissade biaisée surtout. Mhm. Vous savez, lorsque, d'abord, euh, l'environnement n'est pas favorable à l'éclosion d'une certaine littérature. C'est ce que M. Euh, Léné essayait d'expliquer tantôt. Donc, on saurait ou Est-ce que vous êtes euh, confronté à la même, euh, en fait, au même problème, on va dire, puisque je rappelle que vous êtes auteur politique que vous avez... Moi, j'avais voulu déjà mm. de rebondir sur ce que vous avez dit tantôt, mm-hmm. la question de, de l'instruction. dit disait l'ignorance est audacieuse il est fortement établi que la lecture a des grandes répercussions positives, bien entendu, sur le développement de la conscience, sur mm. l'apprentissage, sur la mémorisation, enfin, tous les compartiments de la mémoire, les sept compartiments. Mm. Donc, il y a, ce serait un truisme que de revenir dessus. Par contre, lorsqu'on parle un peu de qualité ou encore de production, ce n'est pas faute de production qu'aujourd'hui que les littérateurs nigériens ne sont pas lus, ne sont pas connus, mais d'abord, parce que quand vous prenez par exemple dans une famille, la tête c'est qui C'est le père, s'il y a un père, si on est dans une société patriarcale, mhm. ou la mère, si on est dans une société matriarcale. Et donc quand la mère ou le père n'accorde pas de l'intérêt à la chose, alors les enfants, ils vont péricliter, forcément. Mhm. Et là, quand vous avez l'État qui ne priorise pas, je, comprends bien qu'on dise qu'on a pas mal de soucis qui soient là, mais l'ignorance est encore plus cher payée que l'instruction, que l'éducation. C'est d'ailleurs la seule arme pour citer Mandela qu'on est à, qu'on est à L'éducation oui, change oui, le monde. pour mhm. changer le monde. Mhm. Donc là, quand on ne fait pas, ne serait-ce que qu'un petit effort, parce que je me dis que lorsque vous avez une population de 25 millions d'habitants en moyenne mhm. et que vous arrivez à faire euh, un petit effort pour 100 000 personnes, c'est anodin. On a une bibliothèque nationale aujourd'hui qui est là. Il n'y a aucun livre. Moi, je vous défie d'aller regarder. Ils ne sont même pas encore euh, disponibles. Là, quand hmm. vous êtes écrivain, si vous ne le faites pas par pure volition, par pure passion, vous allez en succomber. Mmh. Aujourd'hui, j'ai 10 ans ou 11 ans de carrière. C'est parce que d'abord, j'ai pu atteindre le stade où ça, ma propre alacrité ne dépendait pas de la récusation ou de l'acceptation des hmm. autres, mais parce que hmm. je le faisais pour moi-même. Et c'est ce que monsieur euh, Chamsou essayait de signifier tantôt. Nos livres, et pour citer, j'avais vécu une anecdote du genre, on m'avait reproché à un concours littéraire le prix du jeune écrivain, je sais plus c'était à quelle année, que j'écrivais comme un français. Hmm. Euh, sauf que l'ancrage socio-culturel euh, était africain le écoutez que vous utilisez est quand même un sauf que l'ancrage hmm. socio-culturel était hmm. africain et j'avais trouvé que c'était bizarre parce que j'essayais de faire comme eux. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre certaines façons d'exprimer des idées parce qu'ils ne les connaissaient pas. Mhm. Parce que c'est bizarre et on trouvait qu'il y avait de la difformité dans ce que je faisais. Mhm. Et donc là, quand vous êtes auteur, le minimum, et là nous allons, je, je, vais rendre un grand hommage à nos enseignants parce que c'est grâce à eux on arrive à mhm. aller dans des établissements pour faire des petites présentations ça et là. Quand vous avez dans le programme national des ouvrages de yeux qui n'ont aucune valeur ajoutée à ce que l'on fait, comme si les Nigériens ne sont pas capables de penser, ne sont pas capables de produire ou pas capable de penser ou de faire pour les Nigériens, ça devient une insulte à l'intelligence nigérienne. Ça devient tout simplement un homicide à ce qui pourrait permettre à ce qu'on atteigne une certaine évolution. Merci Manu. Il y a donc des difficultés, mais cela n'empêche pas, il faut rappeler euh, rappeler les littérateurs souffrent, en fait. Je veux dire que En tout cas, vous avez à remporter beaucoup de prix. Justement, Toi, tu as eu à remporter un prix que je connais bien de la francophonie. En 2018, il y a le prix, euh, la médaille d'or, il faut le dire, euh, des d'or ça la que la littérature, elle est toujours d'après. Mais aujourd'hui, quelles sont en fait vos attentes pour euh, que la euh, littérature euh, nigérienne soit vraiment à la Je serais d'accord, je ne serais jamais mhm. d'avis, je ne serais jamais d'accord qu'on me dise qu'un ouvrage est cher à 3000 mhm. ou à 5000 000. Parce qu'aujourd'hui, quand vous payez 5000 ou 3 000, juste vous payez les mhm. droits d'accès. Vous ne pouvez pas combler les nuits de déjection ou les nuits blanches ou tout simplement l'instruction ou le partage que vous avez. Par contre, je ne suis pas d'accord aussi qu'on dise que les littérateurs nigériens, surtout les jeunes, sont dans le même truchement que les anciens. Parler de colonisation, parler, euh, si vous voulez, on est dans un, on est passéiste, non, pas du tout. Moi, dans ce que j'écris, il y a beaucoup de sexualité, il y a beaucoup d'émancipation. Oui, allez-y. Vraiment, j'ajoute quelque chose de très important. Ce qu'il a dit, regardez, l'État ne favorise pas ou bien ne prend pas en compte cette littérature. Regardez les sujets du bac, le, le texte du commentaire. Il faut demander quelle année on n'a pas amené de la littérature nigérienne. C'est vrai, les épreuves qu'on propose, euh, vous oh. souhaitez mais que ça, qu'on fasse des essais. Mais comment, on peut comprendre qu'il y a une littérature nigérienne lorsque au bac on ne peut pas mhm. amener un extrait On vous a bien compris. Merci, Manoseko Abdel Nasser, euh, jeune écrivain nigérien, président de l'association. Auteur d'une vingtaine d'ouvrages, il faut le préciser. Auteur euh, de plus d'une quinzaine. Hein. vous avez atteint déjà la vingtaine. voilà, auteur donc euh, d'une vingtaine euh, d'ouvrages littéraires. Nous avons également toujours au téléphone en ligne avec nous Monsieur Abrams Idi Aboubakar, qui est également écrivain. Monsieur Abrams Idi Aboubakar, que faut-il faire pour que les jeunes Nigériens soient des vrais porte-flambeaux à ce qui concerne la promotion de la littérature nigérienne. Merci, Monsieur Michel. Euh, comme on l'a constaté, le livre n'a pas beaucoup d'audience euh, en Afrique. Mhm. Euh, comme le dit le dicton, lorsque vous voulez cacher quelque chose à un noir, il faut le l'écrire dans, un livre. Mhm. Voilà, pour ainsi dire que les noirs ne lisent pas. On a l'impression que c'est comme si c'était notre logiciel cérébral qui comporte ce défaut. Mhm. Euh, alors, alors que on se demande bien que deviendrait un livre sans lecteur. Et pour paraphraser Maurice Var, que j'aime bien, et je cite, euh, tout livre a pour collaborateur son lecteur. Mhm. Sans cette belle collaboration, tout Il faut donc euh, encourager la lecture, faire en sorte que... Et les... tomberait à, mhm. à, jamais dans le brouillard de l'oubli ou dévoré par le mythe. Je pense bien que nous devrons nous ressaisir. Ça ne ment pas, les chiffres ne mentent pas le Niger est le pays qui a les résultats les plus faibles. Mm. Et, cela est dû au fait que nous avions tourné le dos au livre. Mm. Moi, j'ai l'enveloppe cardiaque foudroyée à chaque fois que, je fais ce, constat mm. euh, qui est tellement amer. Je pense bien, Monsieur Michel, l'heure est au changement. Que doit faire l'État je, pense bien que l'État doit non seulement réhabiliter les bibliothèques, contrairement à ce que dit euh, ma, jeune confrère qui dit que les bibliothèques sont toujours là. Euh, c'est triste, hein, en dehors du CCFN et de la bibliothèque Rabougri du, CCOG, mm. il n'y a plus de, bibliothèque de référence. Mm. On doit réhabiliter les bibliothèques qui sont au, niveau des différentes écoles, on doit les, les, garnir, mm. c'est-à-dire les documenter. Il faut aussi euh, peut-être permettre ou bien contrôler les différentes activités menées par les enseignants. Moi, j'ai des élèves qui m'ont avoué que de la seconde jusqu'en terminale, ils n'ont jamais fait d'exposé. Et c'est bien triste, c'est malheureux. Ça ternit leur image, ça ternit l'image du pays. Mmh. Et, peut-être aussi, il faut, il faut euh, comment est-ce qu'on appelle cela, multiplier des, émissions télévisées à travers lesquelles on va faire passer peut-être des, concours littéraires mmh. afin d'inciter ces jeunes à s'intéresser effectivement à la littérature. S'il y a des concours qui sont organisés où on sait qu'il y a un prix à gagner, on connaît l'Africain. Mhm. Rien qu'à rien qu'à cause de ce prix-là, les gens vont, vont s'intéresser. Merci beaucoup, M. Abrams, mhm. euh, Idi, Aboubouka. Merci. à Adamou, pour terminer, est-ce que vous, vous êtes optimiste euh, par rapport à l'avenir de la littérature euh, nigérienne Bien sûr. Moi, je pense que la littérature nigérienne a de l'avenir, mhm. puisque on a encore des jeunes qui veulent lire, qui veulent s'intéresser à la lecture. On a mhm. encore des jeunes qui aiment la lecture, qui s'intéressent à ça, et puis qui veulent améliorer les trucs. Donc je pense que c'est à nous qui aimons la lecture, qui aimons la littérature, c'est à nous de, de sensibiliser nos jeunes frères et sœurs, de sensibiliser, de sensibiliser nos camarades à vouloir surtout lire. Si nous écrivons, par exemple, j'écris et puis je partage un peu partout pour mes camarades, mes camarades vont aimer peut-être ce que j'écris et puis peut-être peut-être qu'ils vont vouloir aller vers autre part. C'est donc un appel que vous lancez à l'ensemble des jeunes et peut-être même à l'ensemble euh, des Nigériens, c'est ça Oui, bien sûr, je pense qu'ils doivent surtout aimer la lecture et puis aimer les livres, surtout des jeunes, des jeunes écrivains. Je pense comme monsieur, je pense qu'on doit, qu'on doit bannir les anciens livres, je pense qu'on doit s'intéresser à des nouveautés. Quoi. On vous a bien compris, fidèles auditeurs et téléspectateurs des 52 radios et des 7 télévisions partenaires du studio Kalongo. Nous sommes au terme du forum de ce soir qui a eu pour thème jeunesse et littérature francophone. Nous retenons que la lecture permet de faire une bonne promotion de la littérature. Nous avons beaucoup d'écrivains nigériens. Nous avons une nouvelle euh, génération d'écrivains nigériens, de jeunes écrivains nigériens qui disent avoir euh, besoin de beaucoup de soutien et d'appui. Il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que la jeunesse dans son ensemble puisse euh, s'intéresser davantage à la lecture et il faut accompagner ces jeunes qui font déjà beaucoup de choses. Manu me dit qu'il ne faut pas oublier les parents qui doivent également inciter leurs euh, enfants à la lecture. Il y a donc euh, une synergie d'action à ce niveau, à tous les niveaux, État et autres partenaires à mener afin que tout le monde puisse s'engager pour une bonne euh, promotion de la littérature qui a de l'avenir puisqu'il y a des prix qui sont obtenus par des jeux littéraires et tout cela est à c'est donc euh, la fin de ce forum euh, du studio Kalango. Merci de nous avoir euh, suivis. Nous étions en compagnie de monsieur Soumana Chamsou. Il est enseignant de français et de lettres au lycée. Manou Sekou Abdel Nasser, écrivain et président de l'association littéraire La Plume au service de la société. Aïchato Adamou, jeune auteur du roman L'ineffable et en ligne au téléphone Abrahams Idi Aboubouka. Il est également écrivain. Il a récemment procédé au vernissage de quatre ouvrages littéraires. À la modération du forum de ce soir, je suis Michel Deji. Agréable soirée à toutes et à tous et au revoir.